le forum du studio le forum du studio Calamgou le forum du studio Calamgou le forum du studio Calamgou le forum du studio Calamgou le forum du studio Calamgou le forum du studio Calamgou le forum du studio Calamgou le forum du studio Calamgou le forum du studio Calamgou Il est 18h15 à Niamey, c'est l'heure du forum du studio Kalangou. Madame, Monsieur, bonsoir et merci de votre fidélité au programme Dissidio studio Kalangou qui sont diffusés en direct par 38 radios partenaires dans toutes les 8 régions du Niger. Des programmes aussi disponibles sur notre page Facebook Studio Kalangou, notre site internet www.studiokalangou.org et sur WhatsApp. Aujourd'hui, le forum du studio Kalangou a pour thème la déforestation au Niger alternative. La déforestation est qualifiée comme étant la régression ou la disparition des espèces vertes. Ce phénomène est souvent causé par l'urbanisation, l'agrandissement des terres agricoles et l'exploitation, la plupart du temps illégale, d'essence forestière. Au Niger, les populations coupent de nombreux arbres afin de subvenir à leurs besoins de chauffage, ce qui entraîne la perte de multiples espaces forestiers et affecte affectent l'habitat des espèces animales. Aussi, les feux de brousse, quelle qu'en soit leur origine, mènent à la déforestation. Avec euh, nos invités, nous allons chercher à comprendre ce que c'est qu'une forêt, les causes de la déforestation, les conséquences et les alternatives pour rectifier le tir. Pour ce faire, nous avons le plaisir de recevoir commandant Mboko Suleiman, chargé du programme à la direction de gestion durable des terres de la direction générale des eaux et forêt au ministère de l'Environnement, commandant Bokoy Suleiman. Bonsoir. Merci. En ligne, nous avons Adamou Garba, président du Parti écologique du Niger, le RSV Nima. Président Adamou Garba, bonsoir. Oui, bonsoir. Et Sani Ayouba, secrétaire exécutif de l'association Jeunes Volontaires pour l'Environnement. Sani Ayouba, bonsoir. Bonsoir. Au microphone, votre serviteur Mokhtar Hamadou. Commandant Mbokoy Suleiman, euh, c'est quoi une forêt Merci, vous me faites honneur de me donner la parole en première position. Selon la loi 2004-040 portant régime forestier au Niger, elle définit la forêt comme un terrain comportant des formations végétales composées d'arbres et d'arbustes et d'autres végétaux non agricoles. Selon la définition de la FAO, les forêts, c'est des terres occupant une superficie de plus de 0,5 hectares avec des arbres atteignant une hauteur supérieure à 5 mètres de hauteur et un couvert forestier de plus de 10%. Voilà ce qu'on peut dire de la définition des forêts. Commandant Bokoy Suleiman, quelle est son utilité Merci. Nous pouvons dire que la forêt, c'est le poumon du monde, comme on le dit. Les forêts purifient l'environnement. Donc la forêt nous procure des biens et en plus des services. Par rapport aux biens, la forêt nous procure des produits alimentaires, les produits forestiers non lignés qui jouent un rôle très important dans l'économie rurale, puisque généralement c'est les femmes, les enfants qui cueillent les fruits pour les commercialiser. Donc ça joue un rôle très important dans l'économie locale. Les forêts jouent un rôle très important dans le fourrage pour l'alimentation des animaux, puisque le fourrage aéré représente 25% de l'alimentation de bétail et surtout pendant la période de soudure. Elle nous procure des produits médicinaux. La pharmacopée traditionnelle. Donc selon l'Organisation mondiale de la santé, plus de 80% de la population font recours à cette pratique traditionnelle pour se soigner. Les forêts nous, procurent aussi du bois de chauffe et bois d'œuvre pour les constructions. Par rapport aux services, comme je le dis, la forêt joue un rôle très important dans la conservation du sol, la conservation, protectrice du sol et le renouvellement du sol. La forêt joue un rôle très important aussi dans la lutte contre l'érosion. C'est pour cela on dit que sans arbre, il n'y a pas de vie sur Terre commandant combien de forêts existent au Niger Depuis les années de classement, les années 90, le Niger regorge à peu près 90 forêts classées pendant ce temps. Suite à ce phénomène de, déforestation, aujourd'hui, ces forêts sont vraiment dans un état critique. Selon l'état de lieu qu'on a fait, euh, qu'on a réalisé en 2005, toutes ces forêts ont perdu plus de 50% de leur superficie. donc, la majorité de ces forêts, vraiment, beaucoup de superficie de ces forêts, vraiment, ont été, ont été morcelées. surtout par l'avancée du froid. Vous savez, avec l'augmentation de la population, il y a une forte requête des terres pour la production agricole. Avec l'urbanisation aussi, il y a vraiment une forte demande euh, de terres pour les lotissements qui sont transformés en milieu urbain. Il y a aussi le coupe invisible du bois pour les énergies domestiques. Comme vous le savez, plus de 80% de l'énergie domestique est fournie par le bois. Commandant Bakoy Souleymano, en termes de chiffres, quelle est la quantité de bois utilisée par euh, les Nigériens par jour euh, Merci. Donc, par rapport à la quantité du bois, aujourd'hui, la demande de consommation du bois au niveau national, elle est de plus de 4 millions de tonnes par an. Alors que la possibilité, ce que les forêts, la possibilité de forêt, se situe au niveau de euh, à peu près à 2 millions de tonnes. Donc il y a un déficit de plus de, de 2 millions. Adamou Garba, vous êtes le président du parti écologique. Quelle est la politique de votre parti pour la lutte contre la déforestation au Niger Bien, je voudrais d'abord remercier le studio Kalangou pour euh, cette heureuse initiative qui consiste à sensibiliser euh, l'ensemble de nos concitoyens sur les dangers de la disparition de nos forêts et en quelque sorte sur euh, le danger qui guette l'ensemble de nos populations pour leur propre survie. J'aimerais dire par rapport au thème qui est abordé aujourd'hui, c'est qu'il y a une très grande responsabilité du pouvoir politique, une grande responsabilité de ceux qui sont en charge de gérer les questions de l'environnement et des forêts, et aussi il y a la responsabilité de tout un chacun en ce sens que des fois, comme nous avons parlé de la coupe abusive du bois, les gens se mettent à couper du bois sans aucune raison essentielle, sans aucune raison qui soit liée à leur propre survie. Donc, euh, je pense que en ce qui nous concerne, nous attirons l'attention du pouvoir politique depuis de nombreuses années, depuis que le parti existe sur les conséquences de cette déforestation. Comme euh, le commandant Bokoy Suleiman l'a dit, aujourd'hui, toutes nos forêts qui sont là, c'est que des forêts sur papier. Ces forêts n'existent pas réellement. Ce qui existe, il n'y a que deux grandes réserves. Partout où les grands mammifères ne peuvent plus vivre, on ne peut plus les appeler des forêts ce n'est plus des forêts. Les endroits qu'on peut qualifier de forêts aujourd'hui, c'est uniquement euh, le parc W où des gros mammifères se retrouvent est la réserve de Gadebéji. En dehors de ça, on ne peut plus parler de forêt. Et je pense que nous avons attiré l'attention des pouvoirs publics sur un certain nombre de, mécanismes, un certain nombre de phénomènes qu'il faudrait prendre à bras le corps. Nous savons qu'on ne peut plus continuer à utiliser le bois comme énergie domestique. Et le, commandant l'a souligné, il entre dans 80% le bois en matière euh, d'énergie pour nos populations. Donc, il faudrait penser à des énergies renouvelables. Il faudrait penser à une véritable politique nationale en matière d'énergie et un vrai programme sur au moins 10 à 15 années pour couvrir l'ensemble de nos villes de manière à réduire la pression sur les maigres ressources forestières qui restent encore de nos jours. De ce fait, nous pensons qu'il y a un véritable travail politique à faire et pour le moment, euh, nous ne voyons pas de véritable volonté politique pour en arriver là. Il faudrait d'abord arrêter le cycle dans lequel nous nous trouvons. Le commandant l'a dit, il y a un déficit de 2 millions de tonnes de bois chaque année. Alors, si nous n'arrêtons pas, nous ne freinons pas déjà le processus qui est là en place, tous les jours, c'est des nouveaux villages qui se créent le long des villes. Et ces gens viennent exploiter ces mêmes ressources forestières. Tous les jours, toutes les années, des occupations des espaces qui sont réservés non seulement à l'élevage, mais aussi à l'agriculture, donc l'accaparement des terres pastorales et agricoles. Nous pensons qu'il faudrait véritablement une grande politique et tout cela pour que cette politique soit affirmée au niveau de l'État il faudrait qu'on ait un ministère véritablement chargé de l'environnement et du développement durable, dont le ministre en charge de ce département devrait être au minimum, minimum la troisième personnalité au niveau de l'État. Lorsque nous voyons que notre ministre de l'Environnement et du Développement durable est classé à plus de 33e position en matière de rang ministériel, cela veut dire que ce n'est pas une préoccupation fondamentale du gouvernement. Adam Garba, est-il aujourd'hui facile de pouvoir stopper ce fléau il est tout à fait facile, Tout est une question de volonté politique. Vous avez aujourd'hui des programmes qui sont là, qui sont financés par exemple sur euh, les espacements de naissance, vous avez des programmes sur certaines maladies, vous avez des programmes, tant que les partenaires envoient de l'argent, les gouvernements exécutent tous les programmes que ces partenaires mettent en place chez nous. Alors pourquoi ne pas mettre de véritables programmes qui nous concernent nous-mêmes et qui concernent la survie de l'homme nigérien et qui concernent la survie du bétail et des espèces au Niger je pense que c'est ça la politique. La politique, ce n'est pas uniquement de prendre ce que l'extérieur vous donne pour vous dire appliquez ça chez vous, mais c'est de dire voilà nos vraies préoccupations et que nos ressources internes servent d'abord à mettre en place ces politiques et ensuite demander une contribution ou un appui de nos partenaires extérieurs. Président Adamou Garba, aujourd'hui, quels sont les défis du Niger dans ce domaine Les défis du Niger dans ce domaine, c'est d'abord les défis énergétiques. Nous constatons que aujourd'hui, par exemple, pour l'utilisation des énergies renouvelables, nous avons le soleil, nous avons le vent et d'autres euh, possibilités, mais ces ressources ne sont pas utilisées jusqu'ici pleinement. Vous savez, depuis le temps du professeur Abdel le Niger était l'un des premiers en Afrique à travailler sur euh, l'énergie solaire. Mais malheureusement, ceci n'a pas continué parce que euh, ceci aussi relève de la responsabilité de l'État. Deuxièmement, nous avons aujourd'hui le gaz domestique. Nous avons la chance, avec l'exploitation du pétrole nigérien, d'avoir du gaz du butane au Niger, d'être un pays producteur de gaz. Mais qu'est-ce que nous faisons de ce gaz pour que nous puissions réduire la pression sur les maigres ressources forestières de notre pays c'est de développer un véritable programme. Pour le moment, c'est vrai que le gaz est subventionné, mais malheureusement, il n'y a pas de véritable politique parce qu'on laisse souvent les pénuries de gaz s'installer. Ceux qui ont déjà pris l'habitude d'utiliser le gaz, à un moment donné, se retrouvent en rupture de gaz et ils sont obligés de revenir au bois. Vous voyez, nous avons aussi du charbon minéral que nous pouvons utiliser comme énergie domestique, c'est-à-dire qu'on peut l'utiliser dans les petits foyers pour euh, subvenir euh, aux besoins de cuisson de nos aliments. Là également, c'est un domaine qu'on devrait développer. Le Niger avait commencé à le faire depuis les années 90, mais ceci n'a pas été cohérent, ceci n'a pas été mené de bout en bout pour véritablement en faire un produit capable de remplacer le bois. Donc, vous voyez qu'il y a des possibilités pour le Niger aujourd'hui de trouver des produits de substitution au bois énergie. Malheureusement, comme je l'ai dit, il y a véritablement un manque de volonté politique et un manque de programme au niveau du gouvernement pour que ceci rentre dans les habitudes de l'homme nigérien, dans les habitudes alimentaires et que nous puissions laisser vraiment nos forêts, nos, nos maigres ressources forestières euh, qu'on puisse les laisser se régénérer. Et vous savez que partout où il n'y a pas de bois, où il n'y a pas d'arbres, la pluie n'arrive pas. Et vous avez vu les déficits que nous avons en matière de pluie. Le commandant, il a rappelé le rôle que joue l'arbre. Non seulement il euh, séquestre le gaz carbonique que nous rejetons, et qui est à la base aussi des problèmes euh, climatiques, mais également il nous donne de l'oxygène. Alors, imaginez un peu que tout ceci se raréfie, mais cela aussi a un impact parce qu'il a bien dit, ce sont ces arbres qui fixent la terre. Et partout où il n'y a pas d'arbres, cela est synonyme d'érosion. Donc, euh, à la fois hydrique, lorsque les fortes pluies arrivent, elles entraînent donc toutes les substances nourricières au niveau de la terre. Et en même temps, bon, c'est l'érosion aussi éolienne parce que quand le vent aussi arrive avec force, il emporte les maigres euh, substances qui restent encore et la terre est lessivée et finalement nous nous retrouvons avec des poches de désert un peu partout à l'intérieur du pays. Le désert ce n'est plus à la porte euh, d'Agadez, mais le désert c'est tout le long du fleuve Niger aujourd'hui et le désert est un peu partout dans la partie sud du Niger est censée être la zone la boisée et fertile du pays. Adamou Garba, quelles sont les actions à l'actif de votre parti, le RSV Nima, dans le cadre de la lutte contre la déforestation au Niger Bien, notre parti a beaucoup fait. Le, notre parti a fait un travail d'abord de sensibilisation très important au niveau des médias, au niveau de nos populations et partout où il était possible de faire des actions, notre parti l'a fait. Nous avons, vous vous rappelez, dans les années 97, nous avons réussi à bloquer la destruction de la forêt de Gorumbasunga à Gaïa, qui est l'une des forêts vraiment la plus viable de notre pays qui était destiné à être donné à une entreprise chinoise pour euh, produire du coton. Heureusement que nous avons, avec l'aide aussi des populations, arrêté ce vaste projet qui était l'un des projets aussi qui consistait vraiment à liquider le peu de forêt qui existe. Nous avons travaillé récemment encore sur euh, les problèmes d'accaparement de terres. Vous allez voir dans la région de Niamey, tout le long en allant vers euh, Tourodi, et aujourd'hui c'est la région de Karma qui est menacée. Tous les plateaux qui existent ont été euh, lotis par des lotisseurs privés. Nous avons réagi de manière très ferme à l'endroit du gouvernement pour lui dire qu'il faut arrêter ce cycle-là mais le plus grave, c'est dans la zone nord vers Tawa, où maintenant tous ces grands espaces réservés au pâturage et à l'élevage est en train d'être appropriés par des individus, des nouvellement riches, qui sont en train d'acheter hein, à tour de bras ces espaces et maintenant à vouloir compromettre une des activités essentielles qui est l'élevage dans un pays comme le Niger. Vous comprenez que nous ne sommes pas restés les bras croisés. Tous les jours que Dieu fait, nous dénonçons les dérives que nous constatons et que la population constate avec nous. Nous pensons qu'il faut arrêter les lotissements privés. C'est le cas de la ceinture verte de Niamey ou en 2011 déjà, lorsque le gouvernement a classé. On va l'évoquer dans un instant, euh, Sania Yuba. Quelles sont les actions menées déjà par votre ONG au sujet de la lutte contre la déforestation au Niger Merci bien. Déjà, Jeune Volontaire pour l'Environnement, euh, de sa création en 2009 à aujourd'hui, a mis en tout cas l'accent sur euh, euh, les problèmes, euh, les problèmes que nous vivons au Niger en matière d'environnement. Et c'est surtout à travers des sensibilisations. Nous avons euh, à l'actif plus de 200 à 300 membres qui sont répartis sur quelques régions du pays. Mais également, nous avons des clubs verts. Nous avons euh, aujourd'hui des clubs des jeunes scolaires dans cet établissement à Niamey. Ces clubs, euh, depuis l'installation en 2012, font la promotion de l'éducation euh, relative à l'environnement, milieu scolaire, leurs préoccupations. Donc, c'est des actions extrascolaires. Et nous avons mis des chercheurs à la disposition avec l'IRD France depuis 2015, où chaque année, les élèves ont des projets avec lesquels les chercheurs les aident à comprendre pour mieux voir ce qui se passe autour, pourquoi il y a la déforestation et qu'est-ce qu'on peut faire. Parce que quand on regarde, on analyse, je suis d'accord avec euh, mes prédécesseurs par rapport au sujet, mais nous vivons cela. Ce n'est pas une question nouvelle, ce n'est pas une problématique nouvelle, mais qu'est-ce qu'on en fait C'est cela la, grande préoccupation. Euh, depuis l'école primaire, on nous dit que le désert avance, eh, mais qu'est-ce qu'on fait pour que le désert n'avance pas Chaque année, à l'occasion de la fête de la République, euh, c'était couplé avec euh, les plantations d'arbres. Oui, je ne parle pas de, de théorie ou de, de, politique, ok Moi, je parle de concrètement. vous voulez dire que les arbres plantés ne sont pas entretenus je ne parle pas de politique parce que quand on regarde ce qui est fait, ça, ne sert à rien de venir planter 3000 pieds euh, en, deux heures de temps et c'est terminé. L'arbre, ça, s'entretient. Aujourd'hui, où est-ce qu'on peut voir exactement les réalisations de tous les travaux passés Et aujourd'hui, je pense que l'urgence de la problématique doit nous interpeller à agir quotidiennement, pas seulement une journée. Aujourd'hui, on doit avoir un mois de l'arbre, pas une journée de l'arbre. On doit faire en sorte que nous, quand on était à l'école primaire, dans chaque établissement, chacun a des arbres. Moi, je suis, c'est avec fierté quand tu pars dans ton école, tu dis que ça, c'est mon arbre. Aujourd'hui, c'est des initiatives qui n'existent pas. Donc, nous, ce que nous sommes en train de faire dans les écoles, c'est d'amener les élèves à embrasser cela, à comprendre l'utilité. Parce que aujourd'hui, c'est pourquoi il faut travailler avec les jeunes, avec les enfants. Parce que c'est une question d'éducation. Il faut comprendre l'utilité, il faut comprendre les dangers qui nous guettent. Et c'est en ce moment qu'en s'appropriant les concepts, les gens peuvent faire ça. Donc on a des cérémonies de distinction qu'on appelle les ambassadeurs écologiques, les éco-citoyens, les éco-awards qu'on fait de temps en temps pour motiver les jeunes qui suivent sur ces questions. Et également, notre organisation, chaque année, nous avons des grands chantiers que nous faisons dans des, dans des régions ou dans des établissements ou dans des zones particulières. Notre dernier camp chantier, c'était à Saï l'année dernière, où nous avons pu en tout cas faire du reboisement, planter un certain nombre d'arbres. Mais nous, aujourd'hui, est-ce que ces arbres-là sont en train d'être entretenus C'est avec fierté que vous pouvez partir à Saï, voir au niveau du site des, des sapeurs-pompiers nouvellement construits, les arbres que nous avons plantés. Parce que c'est que nous avons opté, nous n'allons pas vers la quantité mais nous plantons un certain nombre d'arbres avec les grillages à l'appui pour clôturer. Et puis, nous sensibilisons d'abord la population autour pour dire, nous, on va vous planter, quelles sont les espèces que vous souhaitez, et en plus, est-ce que vous allez vous engager à les, entretenir Nous allons planter et mettre une clôture. Donc, si on s'entend là-dessus, c'est la même chose à Tilaberi. On l'a fait il y a quatre ans. C'est là aujourd'hui, quand vous partez devant les du conseil régional ou sur d'autres lieux bien ciblés, vous allez voir les arbres que nous avons plantés, ce que ça a donné. Et c'est la même chose. Nous avons également fait le tour de quelques communes en milieu rural pour voir les initiatives en matière de récupération des terres. Qu'est-ce qu'il y en a fait? Parce que ça ne sert à rien de récupérer des terres si on ne met pas des arbres qui vont pousser après parce qu'il faut avoir de la végétation, etc. Donc, nous, c'est dans ce sens que nous intervenons. Mais également, nous faisons des voies d'échange de découvertes. L'année dernière, nous avons pris des communautés à Tilaberi qui ont, pendant depuis 98, essayé de restaurer une colline, la colline des périphéries, qui fait 80 hectares. Donc à l'époque, il y avait zéro herbe à l'hectare. Aujourd'hui, quand vous partez voir le nombre d'arbres qu'il y a, c'est impressionnant. Nous avons pris ces communautés, les avons amenées d'abord à Dakar pour voir ce qui se passe au Sénégal. Ensuite, on était parti à une rencontre à Tunisie où ils ont partagé leur expérience en termes de, leaders communautaires qui s'engagent dans la restauration des terres, euh, la lutte contre la déforestation, mais également, on était parti rencontrer au Burkina une communauté de femmes. Au Burkina, c'est des femmes qui ont pris cette question en charge autour des arbres du karité, par exemple. Parce que non seulement ils ont compris que la nécessité de préserver euh, ces arbres du karité, parce qu'il y a des valeurs économiques et ça leur permet d'avoir maintenant une entreprise social où maintenant les femmes se réunissent, elles n'ont plus besoin, en tout cas que quelqu'un vienne les aider, elles disent qu'on n'a pas besoin d'aide, elles ont juste besoin de marcher. Donc il faut que les gens comprennent que plus on entretient nos forêts, plus il y a ces avantages qui peuvent en découler. Mais aujourd'hui, combien de forêts classées on a et quelles étaient les surfaces de départ et aujourd'hui on regarde les surfaces d'arrivée. Nous, nous exhortons à travers nos actions à ce que les gens puissent agir pour changer la donne. Je ne veux plus que nous continuions à raconter toujours à nos enfants, nos petits-enfants que le désert avance. Il faut qu'on arrive à leur dire que faut le désert recule. Sani Ayouba, y a-t-il des avancées enregistrées par le Niger dans ce domaine oui, je pense que euh, c'est salutaire. Récemment, euh, je pense que c'est l'année dernière, le Niger a, réussi quand même un, trophée au niveau international en reconnaissance euh, des efforts qui sont en train d'être faits. Mais moi, je pense que ce n'est pas suffisant parce que les impacts du changement climatique, il y a, on peut faire toujours les parallèles avec avec la déforestation, avec l'absence des arbres, etc. Donc, il faut que les gens sachent, comprennent que il y a des efforts, certes, mais on doit redoubler d'efforts et on doit mettre cela comme une question prioritaire. Je viens d'apprendre avec euh, en tout cas, un peu de regret. Le président disait que le ministère de l'Enchère des questions de l'environnement a classé à 33e l'ordre protocolaire. C'est quand même un peu, je pense que ce n'est pas une bonne chose pour un pays sahélien, pour un pays où euh, la première préoccupation du Niger, c'est on dit, c'est l'environnement, c'est la nature, c'est euh, comment arriver à nourrir les gens. On ne peut pas avoir une sécurité alimentaire donc on n'a pas des arbres, parce que là où il y a des arbres, il y a de la pluie. Et quand il y a de la pluie, il n'y aura pas de faim, parce que les gens travaillent. Mais même si tu as la volonté de travailler, s'il n'y a pas d'eau, qu'est-ce que tu vas faire c'est comme ça. Donc il faut vraiment que au niveau politique aussi qu'on puisse revoir cela pour que on puisse quand j'ai regardé dans le même le budget, j'ai vu quand même ce qui a été actoré au ministère de l'environnement en tout cas par rapport à l'urgence climatique, par rapport aux préoccupations relatives à l'environnement, je pense que le ministère mérite mieux que ça. On doit donner suffisamment de ressources euh, pour que le ministère puisse bien faire le travail. Ce n'est pas les compétences souvent qui manquent. Quand on voit certains cadres du ministère comment ils travaillent en tout cas avec passion, avec compétence, je pense que cela mérite d'être encouragé par la mise à disposition des ressources suffisantes et à temps, parce que ça ne sert à rien de planifier aussi et que les ressources viennent vers la fin de l'année ou les ressources viennent d'emblée et les gens n'auront pas suffisamment de temps parce qu'il y a cette contrainte de temps. Mais je pense que le Niger doit faire plus d'offensives parce qu'il y a des ressources au niveau international. Pour tout pays, en tout cas, qui s'engage à préserver les ressources naturelles, qui s'engage à promouvoir un environnement sain, qui s'engage à lutter contre les changements climatiques. Il y a énormément de ressources. Il faut juste que le pays soit organisé. Il faut juste que le pays aient les cadres suffisants, les compétences nécessaires. Ça, c'est une lutte aussi que nous devons faire. Former davantage euh, les ressources humaines dont nous disposons pour aller à l'offensive. Même si on n'a pas de ressources ici, il y a tellement de programmes qui peuvent nous permettre d'avoir des ressources parce qu'on répond à l'ensemble des critères définis pour atteindre ces ressources. Puisque tout le monde s'accorde à reconnaître la gravité de la menace, que faut-il faire dans l'immédiat je pense que dans l'immédiat, il faut une politique propre, réelle, réelle, pas une ambitieuse, une politique. On a des politiques, mais il faut que ces politiques soient mises en œuvre. On a des lois et réglementations sur la question. Il faut que ces, lois et réglementations soient mises en œuvre et respectées. Il faut que chacun puisse jouer son rôle. Il y a souvent des clashs institutionnels par rapport à la, la gestion environnementale et tout, mais il faut que les rôles soient clairement définis pour que chacun puisse jouer son rôle et ne pas rentrer dans le champ de quelqu'un. Ça, c'est autre chose. Nous, organisations de la société civile, on a notre rôle. Il faut qu'on nous permette également de jouer pleinement notre rôle. Il faut qu'on nous associe, qu'on nous implique. Parce que c'est ensemble qu'on peut relever ces défis. L'État seul ne peut pas les faire. Une organisation seule ne peut pas arriver. Une communauté internationale seule ne peut pas. C'est la conjugaison des efforts. C'est pourquoi on doit continuer à œuvrer ensemble dans une synergie de complémentarité et de partenariats pour relever les défis. Je pense que le Niger mérite mieux que ça. Le Niger doit se réverdir et ça ne peut se faire qu'avec les Nigériens. Commandant Bokoy Suleiman, vous venez là d'écouter les deux invités. Quelle réaction Merci. Donc, je pense qu'ils ont tellement suffisamment dit par rapport aux politiques, aux engagements de la société civile dans ce domaine de lutte contre la déforestation et dans ce domaine de, vraiment de contribution par rapport à la conservation de forêts. Je pense que c'est une bonne chose. Donc, en matière de gestion de forêt, on ne peut pas dire que l'État n'a rien fait. Sani vient de le dire que les politiques existent, mais ça ne suffit pas. Oui, c'est vrai, ça ne suffit pas. Il y a beaucoup à faire. Je pense que depuis les années 90, lorsque l'État a constaté à travers le ministère qu'il y a vraiment un problème d'approvisionnement en bois dans les grands centres de ville. Donc on a élaboré une stratégie énergie domestique qui nous permet de protéger nos forêts à travers les aménagements forestiers, les aménagements forestiers en impliquant aussi la population locale. Donc par rapport à ça, l'État a élaboré une ordonnance 92 portant organisation du commerce transport du bois dans les grandes agglomérations en impliquant la population à travers la création des structures locales de et les marchés ruraux de bois et la fiscalité sur place. Donc, en quoi faisant. Donc, les marchés forestiers ils sont gérés à travers un plan d'aménagement qui est là, qui permet à la population d'exploiter elle-même la forêt à travers le quota d'exploitation annuel. C'est vrai, la politique n'a pas tellement impacté, surtout dans les zones, mais il y a un cas palpable qu'on peut donner un exemple de réussite. C'est la zone de Maradi, la forêt de Boubarafi. Actuellement, ils sont à leur quatrième passage sur les parcelles. C'est-à-dire ils ont exploité une parcelle, revenu neuf ans après pour exploiter la même. Ils sont à la quatrième rotation. Et actuellement, dans ces zones, Dieu merci, maintenant l'exploitation des forêts ne se fait plus dans le massif forestier. Mais maintenant, la population a tellement compris, à travers même la protection de l'arbre dans les chats, c'est à travers ça maintenant que la population exploite le bois pour venir, à travers le défrichement, pour venir le vendre au marché de bois. Donc je pense que vraiment ça a impacté beaucoup et ça joue un rôle très important. Pour vraiment protéger les forêts, je pense qu'il est très important de faire un inventaire forestier national, puisqu'il faut le dire, jusqu'à présent, le Niger n'a pas son inventaire forestier national, puisque pour exploiter une forêt, il faut faire l'inventaire pour savoir concrètement vous avez quoi. Et l'inventaire forestier, c'est ça qui nous permet d'orienter l'exploitation. Ça va nous permettre d'identifier les zones où le potentiel est là, où il faut aller exploiter, et ça va nous permettre aussi de nous montrer là où la forêt est tellement d'agriculture pour ne pas faire. Puisqu'il faut le dire, au Niger, il y a deux types d'exploitation. Il y a l'exploitation de forme contrôlée, dont je vous parle, et il y a l'exploitation un contrôle aussi qui se fait. Donc vraiment, c'est à travers les aménagements forestiers qu'on peut vraiment sauvegarder nos forêts. Et il ne faut pas le cacher la, face. Il faut mener des politiques de substitution de bois. C'est-à-dire, la demande est tellement élevée, comme je le dis. La demande est au-delà de 4 millions de tonnes. Donc il y a un déficit de 2 millions de tonnes. Donc il faut substituer le bois à travers la promotion de ces gaz-là qui sont là. Il faut économiser le bois, puisque la promotion de gaz, comme on dit, c'est dans les grandes villes si possible. Mais il ne faut pas oublier aussi la consommation consommation du bois est tellement élevée dans les zones rurales. Est-ce que vous voyez Puisque les gens parlent tellement de la commercialisation du bois, les gens pensent que c'est ça qui impacte les forêts. Non, la commercialisation du bois ne touche que 26% de la production du bois au Niger. 26, ça tourne aussi de 26%. Plus de 70% de la consommation du bois, elle est faite localement au niveau rural. Et ça, il ne faut pas se cacher la face. Donc vraiment, il faut mener des politiques d'économie du bois au niveau de la population rurale. À travers le foyer amélioré, il nous permet aussi de réduire la consommation. Puisque le grand problème qui est là, c'est quoi C'est vraiment de maîtriser l'offre qui est là. Et je pense que l'État n'a pas croisé le bras, comme on le dit. L'État a adopté une politique d'énergie domestique en 2015 qui est là en essence de financement. Et ça qui a comme objectif non seulement d'aménager les forêts et en même temps développer l'économie du bois à travers la vulgarisation des foyers améliorés et aussi de substituer le bois à travers la promotion de ces Je pense que vraiment c'est les trois volets qu'il faut consulter vraiment pour eux. Et je pense que le Niger a fait énormément de choses par rapport aux politiques de récupération des terres. Je pense que ça tourne autour de 45 000 hectares par an. Aujourd'hui, le Niger est cité en exemple. Par rapport à la menace, on sent que c'est insuffisant. Oui, je sais. Je sais qu'il y a beaucoup de choses à faire il ne faut pas le cacher la face, au niveau international, le Niger fait école. Actuellement, il y a un recouvrement végétal de plus de 5 millions d'hectares dans la zone de maladie et Zender. Ce sont des avancées. Euh, merci. Donc, je pense que c'est une bonne pratique qu'il faut vraiment s'appuyer là-dessus, encourager, puisque c'est une pratique qui est appropriée par la population, qui n'est pas coûteuse, que la population a d'adopter. Il y a une autre alternative qui est là, qu'il faut saisir dans le cadre de transfert de compétences. Je pense que eux, la société civile et les partenaires de développement, ils travaillent directement avec la communauté donc c'est bon de sensibiliser ces communes à intégrer les questions environnementales dans les PDC. Et puisque maintenant, PDC, c'est le programme de développement communal. Merci. Puisque les partenaires maintenant, ils sont en train de changer de stratégie. Maintenant, ce n'est plus l'urgence. Ils sont en train d'aller vers l'environnement. Donc, c'est des opportunités aussi qu'il faut saisir avec le transfert de compétences. Les communes peuvent identifier Puisque si, par exemple, au niveau national, on programme une activité de récupération de terres banquettes ou bien de mines, il y a des zones où pratiquement ils n'ont pas besoin de ça, puisqu'ils n'ont pas de plateau, ils n'ont pas. Donc, ils peuvent identifier eux-mêmes l'activité qu'ils vont faire et ça va permettre à toutes les zones de, bénéficier de ces avantages. Je pense que vraiment par rapport aux politiques et le Niger s'est engagé dans l'accord de Bonne, de récupérer 5000 hectares de terre. Et l'engagement. C'est un engagement. C'est un engagement. Je pense que les fruits sont en train de venir, puisque actuellement, moi, je suis sur un programme qui est en instance de financer pour vraiment appuyer le Niger dans son engagement de récupérer 3 200 hectares d'ici 2000. 30. Commandant Boko Suleiman, comment utiliser les forêts sans les détruire Rapidement, il faut faire un inventaire forestier national pour vraiment orienter. Ça, c'est dans l'immédiat. Ça, c'est dans l'immédiat. Ça, c'est dans l'immédiat. Ce qu'on peut peut-être conseiller, c'est d'aller vraiment vers la, vers la politique de substitution de bois. Il faut il faut vraiment jouer sur, la demande qui est tellement élevée. Il faut vulgariser les gars, principalement dans les grandes villes, et si possible, vulgariser les foyers améliorés pour économiser le bois dans les milieux ruraux. Ça va nous permettre d'agir sur la demande qui est tellement élevée et vraiment de, de sauvegarder nos forêts. Adamou Garba, tout à l'heure, vous avez évoqué le cas de la ceinture verte de Niamey qui est aujourd'hui devenu comme un espace ordinaire, morcelé et vendu, vous l'avez souligné, une décharge d'ordures aux grandes dames des responsable des services en charge de sa gestion et au mépris euh, des textes de la République. À ces menaces s'ajoute la coupe de bois, une source d'insécurité principalement pendant la saison des pluies pour les riverains. Quelle est la situation de la ceinture verte de Niamey, Adamou Garba? S'agissant de la ceinture verte de Niamey, euh, j'avais commencé à l'évoquer. Comme j'ai dit, en 2011, lorsque le gouvernement euh, de la 7e République a été mis en place, le président a bien signé un décret qui déclare la ceinture verte d'utilité publique. Et aussitôt, l'année d'après, en 2012, euh, notre parti s'est engagé à appuyer les efforts du gouvernement dans le sens de la réhabilitation de la ceinture verte de Niamey, qui rappelle le est le poumon vert de la capitale. Donc c'est lui qui procure l'oxygène à l'ensemble des habitants de Niamey, mais aussi euh, il concerne l'ensemble de la nation. Donc c'est un bien public, c'est un bien de l'ensemble des Nigériens. Donc nous avons à ce titre apporté notre contribution en plantant chaque année des espèces dans la ceinture verte et en même temps de les protéger. Et nous l'avons fait trois années d'affilée successivement à les protéger. Malheureusement, à un moment donné, au courant de la troisième année, le gouvernement a envoyé des bulldozers pour raser tous les arbres que nous avons eu à planter sur cette période de trois ans. Et je rappelle que nous l'avons fait avec des personnalités de la société civile et même des anciennes autorités, les plus hautes autorités de ce pays, notamment un ancien Premier ministre. Et vous comprenez que nous n'avons pas compris pourquoi le gouvernement a agi de la sorte et nous avons rappelé qu'il existe des règles, il existe des lois de la République. ces lois n'ont pas été respectées. L'État, quelle que soit sa puissance, n'a pas le droit de prendre un mètre carré de cette ceinture verte une fois classée d'utilité publique sans avoir recours à un conseil des ministres qui devrait statuer sur le cas de la partie qu'on voudrait déclasser. Il existe une procédure pour déclasser chaque mètre de la ceinture verte cette procédure n'a pas été respectée. Maintenant, le plus grave, après cela, c'est qu'il y a des militants des partis au pouvoir à qui on a donné feu vert d'aller lotir dans la ceinture verte et de vendre des parcelles. Là également, nous avons fait le travail qu'il fallait de sensibilisation et même de recherche de l'information pour l'amener devant les décideurs, en particulier le chef de l'État et les membres du gouvernement, à travers un film documentaire que nous avons réalisé. Vous comprenez que nous sommes euh, véritablement très déçus de la manière dont le gouvernement continue à traiter le cas de la ceinture verte. Le ministère de l'Environnement, donc, euh, que le commandant représente ici, a fait un travail extraordinaire hein, d'identification et de classement de toutes ces zones-là au sein de la ceinture verte selon les différentes occupations. Ce travail est un travail euh, très scientifique qui a été mené propre et professionnel. Il existe il a été mis sur la table du gouvernement. Il fallait tout simplement que le gouvernement soit ferme, qu'il prenne des dispositions et des mesures fermes en disant voilà, il faut appliquer la loi à partir de ce moment-là en matière de gestion de cette ceinture verte. Malheureusement, le gouvernement ne l'a pas fait. Et c'est là où nous l'interpellons. D'un côté, on montre que le gouvernement est en train de faire ceci. Lui-même a pris des décisions qu'il n'y aura plus de lotissement dans la ceinture verte. Mais de l'autre côté, c'est un boulevard ouvert à ces gens qui sont en train de régulariser la situation des parcelles qu'ils ont acquises dans l'emprise de la ceinture verte vous comprenez que ceci ne peut pas continuer. On ne peut pas avoir un double langage. Quand il s'agit de nos partenaires extérieurs, dire que le Niger est en train de faire des efforts dans ceci, dans cela. Mais là, à côté, dans la capitale où nous recevons tous ces invités de marque, Il n'y a pas longtemps déjà, il y a une réunion qui a regroupé les pays, en tout cas de la zone sahélo-saharienne, sur les questions du climat au Niger, et que nous soyons incapables au niveau du gouvernement de prendre les dispositions qui s'imposent et les textes existent en cela. Donc vous comprenez, je suis d'accord avec notre ami des jeunes pour euh, l'environnement qui disent qu'il faut associer, voilà, il faut, il faut conjuguer nos efforts. Il ne s'agit pas d'aller faire des petites choses euh, dans des coins isolés, mais il faut unir nos efforts pour arriver à un objectif. Cela ne sert à rien de montrer que nous avons planté tant d'arbres ici, à gauche, à droite, ça peut être à taille un peu partout. Mais quand il s'agit des actions vraiment qui concernent tout le monde, tout le monde doit se sentir concerné par cela. La ceinture verte, c'est là à Niamey, ce n'est pas à 20 km de Niamey, c'est autour de Niamey. Elle a été créée et tous les régimes qui se sont succédés depuis la première république du temps de Yuri avec le régime de Kunche et les autres, tout le monde a pratiquement respecté plus ou moins la ceinture verte en tant que poumon vert de la capitale. Aujourd'hui, nous ne comprenons pas avec les institutions que nous avons, avec les possibilités de trouver des financements avec nos différents partenaires et d'être appuyés, et nous-mêmes, nous avons eu des, soutiens de nos partenaires, euh, les jeunes du Burkina, les écolos de Belgique qui nous ont aidés donc à restaurer, à réhabiliter la ceinture verte. Aujourd'hui, nous sommes déçus, mais nous continuons la lutte parce que nous pensons que tous ceux qui ont acquis un mètre carré dans la ceinture verte, tôt ou tard, le problème va se reposer. Parce que la ville de Niamey ne peut pas évoluer sans un poumon vert je vous assure qu'on ne peut pas continuer. Vous allez, bientôt, ça va être la période du carême. Vous allez voir comment les gens vont souffrir. Tout simplement parce que la chaleur accablante qui s'installe dans la ville de Niamey est insupportable pour tout le monde. Bref, je lance de ce point de vue un autre appel, en tout cas, à l'endroit du gouvernement pour qu'il se ressaisisse. On dit qui peut le plus, peut le moins. Si le gouvernement pense qu'il peut récupérer des terres un peu à gauche et à droite, d'abord commence à récupérer la ceinture verte et à montrer un exemple à l'endroit de tous nos partenaires et aussi aux Nigériens pour dire nous sommes capables et nous allons le faire et que nous avons la volonté politique de le faire. Sania Yuba, est-il facile de limiter la coupe du bois au Niger Ouais, je pense que rien n'est impossible. Aujourd'hui, les jeunes montrent déjà la différence sur plusieurs sujets. Ils montrent le chemin à suivre. Donc, je pense que c'est une question qui mérite avec plus de sensibilisation, plus d'appropriation. D'ailleurs, aujourd'hui, on regarde, il y a beaucoup de substitutions au bois énergie. Pourquoi on utilise le bois C'est pour des raisons bien précises. Aujourd'hui, on est en train de promouvoir d'autres types de sources énergétiques qui vont nous permettre d'éviter, tel que nous, ce que nous faisons, je ne l'ai pas dit, la promotion du four à balle des riz. Je pense que si nous avons eu à faire un débat là-dessus, ou depuis 2014, nous avons plus de 3000 foules à balles d'Éric que nous avons disséminées tout au long de la vallée du fleuve. La balle d'Éric, quand même, il y aura toujours du riz au Niger, donc il y aura toujours de la balle, puisque ça fait partie de c'est 21% du poids du riz paddy. Donc si des gens l'utilisent, utilisent cette technologie, ça permet de réduire la consommation du bois. Aujourd'hui, avec Tabaski et Colo que nous avons lancé, nous avons vu comment les gens se sont acharnés derrière le charbon, le charbon, minéral, qui était même en rupture. Hein. En rupture à Niamey. Donc je pense que il faut juste montrer aux gens la nécessité pour eux de changer de paradigme, parce qu'aujourd'hui, on ne peut plus continuer à observer le fleuve train d'être asséchés, le changement climatique euh, nous affaiblit davantage, il n'y a plus de puits, etc. Il faut qu'on agisse. Et je pense que les jeunes d'aujourd'hui sont prêts à aller dans le sens de la transformation, du changement, et c'est vraiment possible parce qu'il y a des pays qui ont réussi cette transition et nous, je pense que nous pouvons les faire et il est même, c'est une responsabilité, c'est notre devoir aujourd'hui d'échanger cela. Pour aller, aujourd'hui, on a du gaz. Je dirais pas que le gaz est 100% écolo, tout comme le charbon, mais je pense que par rapport à notre contexte, je préfère un Niger vert qu'un Niger sans arbres. Et pour cela, s'il y a du gaz qu'on a, on peut l'utiliser. S'il y a du charbon minéral, bien que ça soit plus polluant que l'autre, je préfère qu'on l'utilise du point de vue de notre contexte, parce qu'on aspire également au développement durable, donc il nous faut voir le parallèle par rapport à ça. Donc je pense que l'État a déjà, je pense qu'on avait été associé dans le cadre d'une politique de substitution au bois énergie avec le ministère de l'énergie. Il y a eu tellement de propositions. Aujourd'hui, il y a des briquettes qui sont en train de produire le charbon vert avec Niger vert. Il y a la jacinthe d'eau qui est transformée. Donc, il y a beaucoup d'alternatives qu'on peut utiliser. On ne peut plus continuer à se contenter de l'utilisation du bois tel qu'on le faisait. Et même pour Tabaski, vous allez voir les années à venir, les gens vont continuer à réduire la consommation du bois et c'est le pays qui va gagner et c'est les générations présentes et futures qui vont en bénéficier. Nos invités s'accordent à reconnaître que les ressources forestières du Niger subissent des contraintes climatiques et de fortes pressions démographiques. Les arbres fournissent d'importants services à l'humanité, donc utilisons-les sans les détruire. Nous sommes au terme de ce forum du studio Kalangou. Nous avons eu le plaisir de recevoir commandant Bokoy Suleiman, chargé du programme à la direction de gestion durable des terres à la direction générale des eaux et forêts au ministère de l'Environnement. En ligne, nous avons eu Adamou Garba, président du Parti écologique du Niger, le RSV Nima, et Sani Ayouba, secrétaire exécutif de l'association Jeunes Volontaires pour l'Environnement. Merci à nos invités et à vous tous pour votre fidélité au programme du studio Kalangou qui vous parviennent grâce à nos 38 radios partenaires. Merci, au revoir.